forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passe de 15 minutes à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Le forum du studio Kalangou est un espace d'échange, un espace pour apporter des réponses aux préoccupations des auditeurs sur des questions qu'ils se posent régulièrement. Aujourd'hui, le forum est consacré à la problématique du chômage au Niger avec un accent particulier sur le chômage des jeunes diplômés. Ainsi, dans la première partie de ce forum, on va essayer de définir le chômage, voir les causes et son ampleur avec des chiffres et des références si possible. Puis, dans la seconde partie, nous allons essayer de voir les conséquences du chômage des jeunes diplômés ainsi que son impact sur le développement dans un pays en voie de développement comme le Niger. En dernière position, nous tenterons d'énumérer quelques propositions comme pistes euh, à explorer afin d'occuper les jeunes diplômés et réduire considérablement le chômage au Niger dans un contexte où tout est prioritaire dans les segments de la vie et des populations nigériennes. Chers auditeurs, vous suivez le programme du studio Kalangou en direct grâce à un réseau dynamique de 20 radios partenaires qui couvrent les huit chefs-lieux de région ainsi que les localités d'Arlita, de Kirozérine, de Bouza, Tamaské, Mainosoroa, de Magaria, Mayaï, Berningaure, Dorbel Essaï. Avec nous ce soir pour euh, développer cette problématique euh, du chômage au Niger, Aliou Oumarou, président du Conseil national de la jeunesse. Aliou Oumarou, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Issoufou Boubakar, représentant de l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi ANPE. Monsieur Issoufou Boubakar, bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi dans ce studio Maman Kaka responsable des questions de jeunesse à Alternative Espace Citoyen. Maman Kaka bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mokhtar. Nous, avons, nous avions également invité eh, Damalam, Manomi, qui est président de l'association nigérienne des sans-emploi. Ce dernier a malheureusement désisté à la dernière minute avant de vous donner la parole, chers invités, je vous invite euh, à écouter quelques diplômés qui se sont rendus hier matin à l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi ANPE de Niamey pour parcourir les affichages des avis et de recrutement. On les écoute. Je suis venu à l'ANPE pour euh, regarder les offres qu'on affiche régulièrement dans l'enceinte de l'ANPE. J'ai vu des offres, mais des offres euh, colossales parce que les offres qu'on demande ici, les opportunités en tout cas qui sont offertes, c'est pas pour les petits niveaux quoi, parce qu'on demande un minimum d'expérience, 5 ans, 8 ans, et je pense que quelqu'un qui n'a pas commencé, comment est-ce que tu peux avoir cette expérience-là cas vraiment, c'est trop demandé quoi les expériences qu'on demande euh, surtout au niveau de l'ANP, en tout cas des affiches qu'on voit. Bon, le problème est que nous sommes vraiment dans un pays où l'État même euh, ne sécurise pas ses fils. C'est bien normal qu'on trouve euh, <laughs> beaucoup de chômeurs parce que si vous faites ici 5-10 minutes, vous allez voir la pléthore des gens qui vient, qui sort, qui rentrent, qui ressort. Donc cela prouve qu'il n'y a pas d'emploi. C'est vrai, avec un peu de chance, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, mais la majorité, en tout cas, souffre cas de l'emploi. Le message, c'est que l'État revoit sa politique de faire vraiment en sorte que chacun Nigérien, où qu'il soit, en tout cas, quand il a son diplôme, d'essayer de l'intégrer, dans les fonctions, plus précisément dans les fonctions publiques. J'ai le BP en électromécanicien, je fais CPA des Je suis venu voir les affiches pour voir s'il y a des offres concernant mon profil. C'est pour cela que je suis au moins ça fait deux ans que je suis en chômage jusqu'à présent rien à signalé. je suis au Sagaba TP en tant qu'électromécanicien je conduis le central électrique de Sagaba TP Gaïa depuis l'arrêt du travail en 2015 jusqu'à présent rien ne va pas bien quoi jusqu'à présent nous sommes en chômage est-ce que c'est facile d'être chômeur ici au Niger c'est pas facile, sincèrement <laughs> parler. C'est très difficile. Parce que pour avoir même un job maintenant à la dernière minute, il te faut quelqu'un bien placé, sincèrement parler, je ne te cacherai. Vu que le concours même qu'on faisait, si les le concours qu'on faisait, si on parle des règles de réalité, il n'y aura pas du chômeur au Niger, seulement parler. Vous voulez dire que les autorités doivent faire quelque chose Bien sûr, normalement, les autorités doivent faire quelque chose. Même auprès des sentiers là, ils n'ont qu'à prendre les techniciens, les gens compétents, les gens qui voient à la place qu'il faut. Mais Maintenant, on prend des gens qui n'ont même pas fait la formation. C'est après quelqu'un prend le métier à prendre. On les nomme les chefs de poste quoi. C'est pas facile ça, m'a parlé mon frère. Bon, je suis venu pour accompagner mon grand frère là quoi. Il est venu pour <laughs> la retraite d'emploi quoi, si je veux le dire. Bien qu'il m'avait il m'a pas expliqué ce qu'on va faire ici quoi. On il m'avait dit qu'on va passer ici mais je sais pas quoi C'est maintenant que j'ai compris ce qu'il est venu faire quoi. C'est un chômeur Tout à fait. On père c'est un chômeur, il a fait des ans de chômage quoi. Il a son diplôme oui. Oui, depuis les années vers 2010-2009, là, quoi. Il a eu son diplôme. Jusque-là, il, ne, travaille pas Jusque-là, il ne travaille pas, là. Oui, Pourquoi, selon vous Je ne sais pas comment je vais expliquer la chose, quoi. C'est vu l'état de notre pays où je ne sais même pas comment je vais, je vais expliquer la situation, quoi. Toi, tu travailles moi, je ne travaille pas. Je suis un simple étudiant, quoi. J'ai pris mon inscription à l'école normale supérieure, là, oui, et deuxième année. Vraiment, c'est pas possible. Quand on est avec lui, je vois combien il souffre, quoi. Vraiment, c'est pas possible. En tout cas, on est venir voir le, pour déposer. Si c'est Satom, si c'est chinois, si c'est tout, on cherche du travail parce que vraiment il n'y a, a, pas d'activité. On est là, on n'est pas de travail, on est cherché. Si on a vu une offre, on va aller au service où c'est ANPO, on va déposer. Ça fait combien de temps que tu ne travailles pas En tout cas, moi, depuis que le deuxième point est fini jusqu'à présent, je le cherche. Un contrat à trois mois ou six mois, s'il est fini, je vais chercher des offres pour, pour donner mon dossier. Vous avez votre diplôme Mécanique ou chauffeur. C'est ça que je fais. C'est moi, Mohamed Laoli C'est nous qui fait le deuxième point. On, travaille à, premier échangeur jusqu'à deuxième même. Maintenant, je travaille à 12 étages qu'on fait là-bas à plateau, derrière du FTIC. Maintenant, on est arrêté. Contrat, c'est fini. C'est pour cela que j'ai en train de taper pour chercher du travail. Voilà, vous venez là euh, d'écouter quelques demandeurs d'emploi. Euh, chers invités, avant de mieux permettre à nos auditeurs une meilleure compréhension de, nos vos différents rôles, merci de nous dire brièvement quelles sont les missions de vos différentes structures. On commencer euh, à Lyon. Merci. Euh, Ali président du Conseil national de la jeunesse. Comme vous le savez, par décret numéro 2015-545, le le président de la République, euh, au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, a créé un organe fédérateur de l'ensemble des organisations de jeunesse reconnues au Niger, qui est dénommé Conseil national de la jeunesse. C'est une volonté qui émane de la ratification par le Niger de la Charte africaine de la jeunesse. Vous le savez, en 2006, lorsque les chefs d'État et de gouvernement se sont rencontrés à Banjul, ils ont décidé d'adopter une Charte africaine de la jeunesse. Donc tous les États partis devaient mettre à leur sein un Conseil national de la jeunesse qui a pour rôle <coughs> d'être un trait d'union entre les pouvoirs publics et les organisations de jeunesse. Donc nous sommes à la tête de cette institution, nous sommes dans notre deuxième mandat et le Conseil de la jeunesse fédère l'ensemble des organisations dont euh, des jeunes dont l'âge est compris entre 15, 15 et 35 ans. Nous... Vous être bref là nous essayons donc d'être euh, euh, les porte-parole de cette jeunesse auprès des institutions nationales, euh, internationales, faciliter, discuter, proposer aussi, proposer des sorties de crise pour cette problématique qui, nous nous revenue aujourd'hui, qui est la question du chômage qui mine aujourd'hui toutes les familles nigériennes. Il faut, se le dire quoi. Monsieur Issoufou Boubacar oui, bon, moi c'est Issouf Boubacar Hassan de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Donc euh, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, c'est le service public de l'emploi ici au Niger. Donc il y a comme service euh, à rendre des prestations auprès des demandeurs d'emploi et aussi des employeurs. Donc à ce titre, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi poursuit une mission de service public d'emploi. Donc euh, celui-là d'accueillir les demandeurs qui sont à la recherche de l'emploi assurer leur placement au niveau des entreprises, délivrer aussi des cartes de travail, délivrer des attestations de soumission au marché public, viser des contrats de travail, exécuter des programmes d'insertion, de réinsertion et de reconversion aussi des chômeurs de longue durée, financer aussi des projets porteurs pour euh, les microfinances, euh, les micro-projets des jeunes porteurs d'idées d'entreprise, organiser aussi des techniques de recherche d'emploi, des ateliers en techniques de recherche d'emploi pour permettre aux jeunes de mieux s'orienter sur le marché de l'emploi. Donc euh, voilà, bref, euh, c'est ce que l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Alors, merci Mokhtar. Euh, <clears throat> je joins également ma voix à celle de mes prédécesseurs pour euh, rapidement dire qu'au niveau de l'association alternative Espace Citoyen, nous travaillons euh, beaucoup sur les questions de la jeunesse, comme vous le savez. Chaque année, quand même, nous organisons même des forums euh, nationaux de la jeunesse où on donne vraiment la parole aux jeunes de s'exprimer notamment sur les questions de la migration, sur les questions de l'emploi des jeunes, sur les questions en tout cas de la participation politique des jeunes. Nous faisons énormément de travail parce que pour nous, investir dans la jeunesse, c'est vraiment investir dans le développement du Niger et c'est en cela que euh, nous avons euh, pris, nous avons tout un département qui s'occupe de la jeunesse. Voilà ce que je veux dire. À tout seigneur, tout honneur, je me tourne d'abord vers euh, M. Issoufou Boubacar de l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi. Issoufou, qui est chômeur, à quel moment on dit que quelqu'un qui, a le statut de chômeur dans la réglementation nigérienne voilà, donc euh, le chômeur, euh, puisque le Niger, avant tout, est un État qui fait partie d'un monde global, donc euh, on peut dire que le chômage est défini selon des critères du Bureau international du travail. Donc pour être chômeur, il faut remplir trois conditions. Ces trois conditions, d'abord être sans emploi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'emploi du tout, être disponible pour occuper un emploi, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, peut-être diplômé ou bien non diplômé, qui est prêt à travailler et celui-là aussi qui est à la recherche active d'un emploi. Donc il faut remplir ces trois critères pour dire que celui-là, il est chômeur. Être sans emploi, disponible pour occuper un poste d'emploi et être à la recherche active de l'emploi. Parce qu'on peut être un diplômé, rester chez soi sans pour autant aller vers les services publics de l'emploi, aller vers les officines privées de placement de la main-d'œuvre pour s'enquérir en tout cas des postes offerts par les entreprises, s'enquérir des conditions pour postuler à ces offres d'emploi et prétendre avoir ces emplois en déposant sa candidature. Est-ce que toutes ces conditions sont définies ici au Niger Ces conditions bel et bien sont définies parce que les postes d'emploi sont publiés au niveau de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, donc accessibles pour tout demandeur d'emploi qui part au niveau de l'agence. Parce que, avant tout, il faut s'enquérir au niveau de l'agence les renseignements par rapport à ces questions d'orientation sur les offres d'emploi possibles en se présentant avec euh, les pièces requises telles que la nationalité, la carte d'identité nationale ou bien le passeport, afin d'être inscrit sur le registre de l'agence. Parce que tout demandeur qui est à la recherche d'emploi doit se prémunir d'abord d'une inscription au préalable avant d'entamer en tout cas des recherches sur le marché de l'emploi. Et en ce sens qu'il y a des conseillers emploi qui sont disponibles pour écouter ces demandeurs d'emploi en fonction de leur niveau d'études, en fonction de leurs compétences sur le marché du travail, de ce qui est capable pour eux, de ce qui peut s'offrir à eux. Donc ces conseils emploi sont chargés de les orienter, de les appuyer et de les accompagner tout au long du processus de leur parcours de recherche d'emploi. Est-ce qu'ici au Niger, le chômeur a, des droits comme dans certains pays de la sous-région et même à l'international Qu'est-ce que vous appelez par droit Je n'ai pas bien compris la question. Euh, le droit des chômeurs, euh, la promotion d'un euh, emploi décent d'un emploi décent. Bon, le chômeur d'abord, euh, peut-être, euh, si j'ai bien compris la question, c'est peut-être euh, les prestations sociales que vous voulez parler. Exactement. Donc, en général, en Afrique, on, a, on mène des politiques actives d'emploi. Ces politiques actives d'emploi, c'est pour augmenter l'employabilité des jeunes sur le marché de l'emploi. Et c'est dans ce sens que, quand j'ai parlé des missions, j'ai dit là, NPE met en œuvre des programmes d'insertion, de réinsertion et de reconversion des chômeurs. Donc, actuellement, avec une nouvelle réforme tout récemment adoptée, on a adopté un nouveau programme d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes qui est composé de trois instruments. Le premier instrument, c'est le contrat d'initiation à la vie professionnelle qui permet à un jeune de faire un stage au sein d'une entreprise avec des avantages d'indemnité de 50 000 francs qui est en tout cas financé d'une part par l'ANP et aussi par euh, le projet de développement des compétences pour la croissance, qui est un projet financé par la Banque mondiale. Est-ce que ce projet est en vigueur actuellement Ce projet est effectivement en vigueur et beaucoup de jeunes diplômés bénéficie actuellement des stages au sein des entreprises, des secteurs parapublic et privé. Et après, je parle aussi du de deuxième instrument qui est le PASS, le programme d'appui à la création d'emplois. En tout cas, pour quelqu'un qui a une idée d'entreprise, qui veut créer son entreprise, la NPE a un outil qui est le PASS, le programme d'appui à la création d'emplois. Oh, le troisième instrument, c'est le programme de reconversion pour les chômeurs de longue durée qui ont besoin d'une formation complémentaire afin de faire prévoir leurs compétences sur le marché de l'emploi. Donc, en parlant des prestations sociales, c'est ça qu'on appelle le traitement social du chômage. Ça, ça existe seulement dans les pays développés. Ici, au Niger, il n'y a pas d'allocation chômage. Mais quand vous prenez, par exemple, en France, tu peux prétendre à une prestation de chômeur. En tant que chômeur, il y a des prestations que l'État fournit. Mais en Afrique, la plupart des services publics d'emploi, il n'y a pas un pays où le chômeur a une prestation, en tout cas à la fin du mois, mais ces outils d'accompagnement qui sont les politiques actives, c'est à travers ces outils qu'on insère les jeunes sur le marché du travail dans les entreprises afin d'acquérir une expérience professionnelle qui est d'ailleurs dit par ces jeunes diplômés qui étaient à la e à la recherche de l'emploi, pour prétendre à un poste d'emploi. Parce qu'il y a des postes où, quand il faut les occuper, il y a un minimum que l'employeur exige pour pouvoir donner la chance à prendre en tout cas le poste au sein de son entreprise. Nous allons nous tourner vers euh, le président du Conseil national de la jeunesse, Ali Oumarou. Euh, quel commentaire après avoir écouté les différentes interventions des demandeurs euh, d'emploi eh, Écoutez, je pense que c'est la la réalité. Le Niger est un pays en construction un pays à potentialité très jeune, puisque plus de 75% de la population a moins de 35 ans. Mais malheureusement, ces jeunes s'informent peu. C'est-à-dire qu'en longueur de journée, on est dans nos fadas, on se plaint que le temps ne fait rien, mais d'autres ne savent même pas où se situe la NPE. Bon, il faut féliciter ceux qui se battent pour aller chaque matin voir les, offres, mais beaucoup n'y vont pas. Et c'est ça aussi le défi, le défi à relever. Je pense que la NPE fait de son mieux, ils ont des antennes euh, régionales. Il faut que les jeunes s'approprient, en tout cas de ces instruments euh, mis en place par, le, gouvernement. D'autre part, euh, la question, de la question d'expérience, de, plusieurs années d'expérience, je pense que c'est une question qui préoccupe aujourd'hui la communauté internationale. Dernièrement, nous étions aux Nations Unies où c'était la problématique débattue. Euh, pas d'emploi sans expérience, mais pas d'expérience aussi sans emploi. Donc il va falloir que nos autorités se ressaisissent, que nos entreprises se ressaisissent pour donner la chance à la jeunesse. Parlant du PIGD que Issoufou a évoqué tout à l'heure, personnellement, ayant une ONG, actuellement j'ai un jeune stagiaire qui est pris en charge par l'ANPE, qui fait son stage chez moi et qui est payé, qui a un pécule qui est financé par, l'ANPE. Donc il faut le reconnaître et c'est une très bonne. C'est parce que ce jeune étudiant, après avoir eu son diplôme, est parti vers euh, l'ANPE, est, venu vers nous. On lui a dit oui, il n'y a pas de problème. S'il y a un partenaire qui, te prend en charge, nous on est prêts à t'accompagner, à te renforcer. C'est mieux, c'est même mieux qu'aujourd'hui le service civique où le, gars il a juste son pécule, mais en retour, il n'y a aucune expérience, il n'y a aucune expérience acquise. Donc il va falloir que le gouvernement renforce aussi E. Moi, j'étais au Sénégal il y a quelques jours. J'ai vu, lors de, cette, la semaine de la jeunesse lancée, euh, que la e et J, et ils ont euh, une agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Les chômeurs, ce sont les jeunes le plus souvent. Et le gouvernement fait un programme. Actuellement, nous sommes à l'heure de, de, la Renaissance, acte 2. Donc, les, engagements pris par le chef de l'État doivent être euh, traduits et par des actions concrètes qui vont être réalisées par, la, par l'ANPE. Malheureusement, euh, ils n'ont pas les moyens aussi de, de, leur politique, il, faut le dire. Les annonces, ils ne les contrôlent pas. C'est-à-dire que c'est vrai que la loi oblige aujourd'hui ces derniers à, à publier les, offres et ils se, ils, se, mettent aussi à, relayer. Mais ce n'est pas suffisant. Au-delà de ceux qui cherchent de l'emploi, ceux qui ont du travail aujourd'hui, les conditions dans lesquelles ils travaillent dans certaines entreprises, il faudrait aussi qu'on en parle. Nous, on a des plaintes de ces jeunes prestataires, de ces jeunes entrepreneurs qui ont créé leur entreprise, qui ont tous les problèmes à avoir accès à des marchés. Nous avons aujourd'hui des grandes firmes qui sous-traitent avec des sociétés étrangères pendant que nos jeunes Nigériens ont toutes les compétences. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Les inspecteurs de travail, j'étais très content de voir une association se créer. D'ailleurs, ils vont lancer, sous la conduite du ministre de, de l'Emploi, le vendredi prochain, leur association. Parce qu'il y a trop de problèmes pour ceux qui ont du boulot. Pour ceux qui n'en ont pas, on n'en parle même pas. Il va falloir aussi penser à la reconversion. Ils le font, le jeune va se dire je, suis ingénieur en BTP, il faudrait forcément qu'on me, me, confie un grand chantier. Non, il faut que les gens reviennent sur terre. Je vis en Europe, je vis par exemple en Suisse où l'État oblige le jeune, après avoir eu son diplôme, d'aller travailler dans un autre domaine, qui va lui permettre à la fin de s'intéresser à, ce domaine qui n'est pas sa formation, sa formation initiale. Alors, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, Ali Oumarou, euh, qu'est-ce qui explique euh, le chômage euh, des jeunes au Niger Nous sommes dans un pays, nous sommes dans un pays francophone qui a un héritage francophone qui est très mauvais. Allez-y dans les pays anglophones, le jeune c'est le self-made man. Le gars veut se battre pour être lui-même son propre employeur. Chez nous, tout le monde veut travailler à la fonction publique. S'il vous plaît, si nous restons tous dans les bureaux, qui va faire le riz à midi pour manger il, faut que les agronomes acceptent d'aller travailler, la terre. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas seulement la fonction publique qui doit être le premier pouvoir d'emploi. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Dans tous les États au monde, la fonction publique n'a pu eh, résoudre ou résorber les, jeunes en quête, d'emploi. Un ministère un charge de l'entrepreneuriat des jeunes a été créé. C'est une première dans le monde. Et c'est au Niger que ça a été fait. Mais il faudrait que ce ministère puisse avoir aussi les moyens de sa politique pour encourager les jeunes à créer leur propre entreprise, qu'il y ait des fonds de garantie pour permettre aux jeunes qui n'aspirent pas à être demain fonctionnaires de l'État, créer euh, eux-mêmes leur propre entreprise. C'est ce qui va amener une valeur. On, va en, venir, on va en venir à là, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, Ali Oumarou peut-on parler aujourd'hui de crise euh, d'emploi au Niger ben, Écoutez, la crise de l'emploi n'est pas seulement au Niger. Vous voyez les chiffres en Europe, vous voyez les chiffres en France, qui est peut-être une référence chez nous. La situation est plus, plus euh, dramatique là-bas parce que là-bas, c'est encore des gens qui ont des diplômes. Chez nous, combien sont allés à l'école Combien sont des diplômés Vous voyez que le défi est énorme partout. Ce n'est pas un problème propre au Niger, mais c'est un problème qui, est mondial. Il faut avoir donc une solution euh, mondiale. Nous allons aller vers euh, Mamana Kakatouda. Euh, selon vous, quelles sont les causes réelles du chômage des jeunes diplômés au Niger euh, les causes du chômage, d'abord, euh, je voulais rebondir un peu pour. Euh, parce que l'autre, c'est le technicien qui a parlé. Il a essayé un peu d'expliquer, partant de conventions internationales, un peu ce qu'il faut entendre par chômeur. Il a cité les trois principes. Mais je pense qu'en langage simplifié, quand on parle de chômeur, c'est quelqu'un qui a un emploi, qui a perdu cet emploi et qui est à la recherche aujourd'hui d'un autre emploi. De manière simple, voilà ce qu'il faut comprendre d'un chômeur. Parce que les gens sont souvent là comme Un chômeur, c'est vraiment quelqu'un qui a un emploi, qui a perdu cet emploi et qui est à la recherche d'un emploi. <laughs> Donc, pour te dire Attendez, euh, vous, n'avez euh, pas la parole. Vas-y, vas-y. Pour, vous dire que <clears throat> la question du chômage, c'est vraiment la question du, chômage est aujourd'hui une réalité chez nous. Voyez-vous, euh, dans ce pays, on a organisé énormément de concours. On euh, les gens avaient des diplômes, il y avait chaque année, même si on n'a pas les chiffres exacts, peut-être lui il peut donner, mais comme ça, des milliers de jeunes gens sortent des universités, des milliers de jeunes gens sortent des instituts et écoles, mais toujours l'absorption cause problème. Mais ce gouvernement quand même a eu le mérite, il faut le reconnaître, d'organiser des, concours. On a dans presque tous les ministères, dans tous les secteurs, on a organisé des concours d'entrée à la fonction publique. Mais très malheureusement, on a même vu des, concours où les gens étaient admis, où ils avaient fait 6 à 7 mois en train de travailler. Aujourd'hui, ces gens sont en chômage parce que après 7 mois d'obtention de, salaire, après 7 mois de travail, on remarque que non, effectivement, ce concours sur lequel les gens sont élus, euh, sont nommés et entachés d'irrégularité. Et on a fait ça, je parle notamment du concours du ministère de, de, finances. par exemple. Donc, ces gens aujourd'hui sont dans le chômage parce que c'est des gens qui ont d'abord qui travaillent. Certains travaillent dans des ONG, certains sont dans des associations, certains sont dans d'autres jobs. Ils ont laisser leur travail pour, euh, parce qu'ils pensent avoir euh, reçu le matricule. Ils sont venus et aujourd'hui, on les a mis euh, dans le chômage. Donc, vraiment, la question. L'un des aspects de, de, la problématique des causes du, chômage hmm. C'est ça c'est, ça, c'est un problème réel, par exemple, <laughs> le, ce que je viens d'évoquer. Mais les causes du chômage sont réelles parce que ça, on n'a pas aussi véritablement des politiques en réalité publiques d'absorption. Parce que quand vous prenez dans les années, par exemple, 80, 90 et même euh, un peu avant ça, dès que vous finissez les études, vous savez où est-ce que vous allez travailler, vous savez dans quel secteur vous allez être recruté. Mais aujourd'hui, c'est vrai aussi que la démographie est, galopante dans nos États, mais en réalité, on n'a pas de véritable politique publique capable de prendre en charge les jeunes qui sortent avec leur diplôme, euh, notamment dans l'absorption. Que ce soit au niveau des entreprises publiques, que ce soit au niveau euh, des, établissements privés, on a cette politique euh, qui manque et ce courage, en tout cas, de prendre la question en main. Issoufou Boubacar, vous avez quelque chose à ajouter Oui, bon, je voudrais rebondir rapidement par rapport euh, à, la question des chômeurs. Comme euh, Kaka l'a dit, bien sûr, celui qui a un emploi qui a perdu est un chômeur, mais celui aussi qui a son diplôme, qui n'a jamais travaillé, c'est un chômeur. C'est en ce sens que, pour parler directement même de comment on calcule même le taux du chômage dans un pays, parce que c'est des indicateurs souvent où on s'adresse à la NPE pour demander, mais donnez-nous le taux du chômage. Or, le taux du chômage, c'est un indicateur national. C'est à travers les recensements généraux de la population ou bien les enquêtes ménages qu'on peut calculer ce taux à travers quoi À travers d'abord le nombre de chômeurs rapporté à la population active. Et quelle est la population active C'est la tranche d'âge allant de 15 à 64 ans. Donc les chômeurs, à travers une enquête, il y a une période de référence à définir. Donc la période de référence peut être 6 mois, par exemple, au dernier recensement général de la population. On a pris 6 mois en dehors des trois critères que le BIT a mis en place parce qu'il faut travailler aussi avec les réalités du pays. Ils ont pris jusqu'à six mois pour celui qui n'a pas travaillé pour mesurer le chômage au niveau. Alors, euh, à présent, quelle est la différence entre un sans-emploi et un chômeur un sans-emploi et un chômeur. Et un chômeur, comme il l'avait dit, ça peut être quelqu'un qui est un diplômé qui n'a pas un travail ou bien quelqu'un qui a travaillé qui a perdu son emploi. Donc, en somme, celui qui n'a pas d'emploi, c'est un chômeur et c'est un sans-emploi encore. À combien estimez-vous le nombre de chômeurs ou de demandeurs d'emploi au niveau de votre agence Par rapport à, l'agence, donc là, je suis venu avec des chiffres. Donc, quand on prend, par exemple, l'année 2016, c'est soldé avec 27 783 de demandeurs d'emploi enregistrés. 27 000. 27 000. Donc, euh, c'est pour dire que c'est contre 17 195 offres d'emploi réussies. C'est seulement Niamey ou bien vous avez des antennes relayées à l'intérieur du pays On a des antennes. C'est pourquoi le président avait annoncé que nous avons des représentations régionales. Vous imaginez, depuis 1996, la NPE est arrivée seulement en 2017 pour pouvoir avoir des représentations dans les huit régions du pays. Actuellement, à Niamey, on a une antenne régionale. Dans les autres chefs-lieux de région aussi, on a des antennes régionales. Et pour le dire, c'est vrai que les moyens nous manquent la NPE n'a même pas un budget de 1,5 milliard Il avait parlé de l'Ampège. Même moi, récemment, j'ai visité l'Ampège. Rien ça veut dire quoi C'est l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes au Sénégal. Donc, qui a décollé véritablement en 2015 parce que là, il y avait, c'est comme la situation du Niger, il y a beaucoup d'institutions en charge des questions de l'emploi. Donc le président Macky Sall avait pris, en tout cas, en tout cas l'initiative de créer ce tempège. Et le dernier projet que j'ai vu, c'est à hauteur de 17 milliards. Donc quelque part aussi, il faut le dire, il y a un engagement politique pour accompagner la mise en œuvre des politiques nationales de l'emploi dans le pays. Et en ce sens, la NPE doit avoir vraiment suffisamment de ressources pour mener à bien, en tout cas, les questions de lutte contre le chômage des jeunes. Parce que c'est avant tout le chômage des jeunes qui préoccupe presque toute la communauté internationale. Alors, euh, quelles sont vos relations, l'ANPE, avec euh, les organisations des sans-emploi ou des autres groupements des chômeurs Par exemple, le monsieur qui vous, que vous avez invité, Damalam, mmh. régulièrement, il est à l'ANPE, donc euh, c'est des gens qui viennent souvent à l'ANPE. Quand il y a même des enquêtes, on les confie en tout cas d'être les enquêteurs sur le terrain. Et aussi les organisations, même euh, si c'est des organisations indépendantes, ils peuvent venir puisque la NPE c'est le service public de l'emploi. Il n'y a pas de prestations à payer, tout est gratuit pour celui qui est à la recherche de l'emploi, celui qui est à la recherche de l'information, pour des recherches scientifiques de nature que ça soit. Donc la NPE est disponible pour toute personne qui se rend à la NPE parce que j'entendais un jeune disait ANPO donc euh, il y a une confusion. Les gens n'ont pas connaissance vraiment de la RPE. C'est ça. Nous sommes à présent dans la seconde partie de notre forum sur le chômage pour parler des conséquences du chômage des jeunes diplômés ainsi que son impact sur le développement dans un pays en voie de développement comme le Niger. Kakatouda, on va commencer avec vous, avec, euh, euh, cette seconde partie de notre forum. Au nom de la jeunesse nigérienne, vous avez récemment participé au sommet Afrique-France de Bamako et le sommet de Johannesburg en Afrique du Sud le mois dernier. Avez-vous parlé des conséquences du chômage des jeunes? Oui, mais effectivement, on a beaucoup euh, parlé de de, de, de, la question, en tout cas de l'emploi en tant que tel, parce que ça regroupe euh, toute cette question, euh, que ce soit à Johannesburg, que ce soit au forum, euh, en tout cas au sommet Afrique-France, le président est là, il peut témoigner surtout en ce qui concerne le Vous sommet étiez ensemble On était ensemble. On avait beaucoup parlé de la question de l'emploi, parce que l'une des conséquences de tout ce qu'on voit, parce qu'on avait discuté des questions de l'extrémisme violent, des questions de radicalisation, et des propositions pertinentes ont été faites, comme quoi tant que nos États ne prendront pas des mesures efficaces et efficientes pour lutter contre <coughs> euh, le, chômage des jeunes, eh bien, on ne pourra pas éradiquer ce phénomène-là. Aujourd'hui, nous voyons toute une dynamique qui est en train d'être mise en place euh, pour lutter contre l'extrême. Ce sont des questions fréquentes quand vous regardez les télévisions, quand vous regardez, euh, vous écoutez les radios, ou même quand vous voyez des missions diplomatiques officielles quand ils viennent ici, c'est toujours ces questions qui sont à la charge. Or, toutes les en tout cas tous les constats euh, faits montrent effectivement que l'un des problèmes, c'est vraiment la question de l'emploi. Effectivement, à ce niveau, selon une enquête réalisée par la Banque mondiale en 2016 en Afrique subsaharienne 40% des jeunes qui rejoignent les mouvements rebelles ou, et ou terroristes seraient motivés par le manque d'emploi. Est-ce au Niger le manque d'emploi peut expliquer cet état de radicalisation extrême Mais On a vu, prenez le cas de la région de Difa. Vous vous rappelez, il y a eu même un débat au niveau de l'Assemblée nationale. Je me rappelle encore euh, à l'époque le député Lamido Moumouni qui attirait, ils étaient, qui attirait un peu l'attention. Vous faites allusion au mouvement social de 2012. Oui, au mouvement. Avant même. Euh, Mouvement, si vous vous rappelez, depuis 2011, il y avait quelques mouvements qui avaient commencé. Mais pour la première fois en 2013, il y avait ce mouvement euh, qui avait fait deux jours ou trois jours où le Premier ministre était obligé de se déplacer en personne avec une très forte délégation et avec les cadres de la région pour aller. Euh, et pour vous dire que cette question a un lien effectivement, avec euh, le problème de chômage et avec le problème de, de, l'extrémisme violent et des jeunes qui rejoignent les, les sectes Boko Haram et tout ce qui est mouvement djihadiste, à l'époque, les gens avaient attiré l'attention de ces, des cas de ces jeunes désœuvrés qui sont en train de s'agiter dans la région, qui sont en train de, de, de, commettre des actes de banditisme et autres. Mais les gens n'ont pas pris la hauteur pour euh, euh, prendre au sérieux cette affaire. Il a fallu que le, 15 avril, les premières attaques et autres commencent, que les gens ont commencé à dire que on n'a pas su à l'époque, on n'a pas cette capacité de prévention, de vision. Or, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est quand même anticiper sur des choses. Les gens n'ont pas été capables. Et quand vous prenez euh, l'exemple de Nord tilabiri de Nord Walam, et même dans la sous-région vers le Mali, aujourd'hui, l'histoire est, en train de démontrer effectivement que tous les jeunes qui sont en train de partir dans ces mouvements, ce sont des jeunes qui n'ont pas d'emploi, ce sont des jeunes qui n'ont pas de travail et ces gens qui sont prêts à impacter, à signer un pacte même avec le diable pourvu qu'ils vont trouver quelque chose à mettre dans leur poche. Le président Ali Oumourou du Conseil national de la jeunesse, vous avez, vous qui voyagez beaucoup, comment euh, avec euh, vos organisations sœurs euh, d'ailleurs, voyez-vous les conséquences du chômage de la jeunesse ben, bien sûr, je viens du Niger. Je viens du Niger où euh, l'insécurité à, l'est et même euh, au nord ne dit pas son nom. Malheureusement, c'est des jeunes qui sont euh, fortement enrôlés par manque d'opportunités, par manque d'emplois. Donc nos gouvernements ont l'obligation absolue de créer les conditions. Nous étions ensemble au sommet Afrique-France où d'ailleurs on a eu plusieurs fois échangé avec le studio Kalangou. on vous remercie pour cela. Nous sommes dans une dynamique de mettre en place un fonds africain pour le développement de la jeunesse. ce fonds est en train d'être soutenu. Euh, le chef de l'État du Niger et plusieurs, en tout cas une, vingtaine aujourd'hui, euh, sont prêts à accompagner euh, la mise en place de ce fonds. Au Niger, comme je le disais en introduction, nous avons cette culture d'assistanat. C'est-à-dire que quand c'est le grand frère qui travaille, euh, j'attends à ce qu'à la fin du mois, qu'il puisse partager son salaire avec moi. Il faut que nous changions de comportement. Combien de jeunes sont euh, à Niamey qui n'ont jamais été à l'ANPE ils sont combien Faites aussi un reportage, faites aussi un sondage. Vous allez voir dans les fadas des éternels plaignants qui ne se bougent jamais les fesses pour aller aussi, ne serait-ce que demander ce qui se passe à l'ANPE. Donc nous avons un défi euh, énorme à relever, tout comme dans certaines localités, il y a peu d'opportunités. C'est-à-dire que dans des régions comme Difa, souvent il y a peu d'opportunités. Et quand cela vient s'additionner avec une crise, vous imaginez que c'est les jeunes qui sont euh, les premières victimes. Euh, rappelez-vous, il y a de cela quelques semaines. Il y a aussi le phénomène de l'immigration. Euh, on, va en venir. Rappelez-vous, un phénomène qui nous a surpris lorsque la Chambre de commerce a lancé la compétition de plans d'affaires après Niamey qui a eu 900 postulants, la région qui veut rester d'IFA, 400 et quelques postulants, ça a surpris tout le monde. C'est ça l'inconséquence aussi de l'insécurité. Donc euh, l'immigration aussi qui ne dit Aujourd'hui, oh, les frontières sont fermées. Les Occidentaux ont investi suffisamment de moyens pour fermer leurs frontières. Aujourd'hui, toutes les délégations étrangères, en tout cas européennes, que nous recevons, c'est pour dire à l'État, nous sommes prêts à vous appuyer pour fermer vos frontières. Dans tous les cas, ces frontières-là, qu'on les ferme avec des barbelés ou même avec des canons, les jeunes vont partir tant qu'il n'y a pas d'opportunité dans leur pays de départ. Issoufou Aboubakara de l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi, comment évolue le taux du chômage des jeunes diplômés ces dernières années au Niger Voilà, donc euh, comme je vous disais tantôt, la question du chômage, c'est vraiment une question nationale. Donc, euh, à l'issue du recensement général de la population 2012, donc, euh, nous nous sommes euh, retrouvés avec un, taux, un, taux de chômage global pour les jeunes de 3,4% pour les jeunes hommes et 1,8% pour les jeunes filles. Donc, par rapport à l'indicateur national, on peut dire que 3,4% le taux de chômage du Niger à l'issue du recensement général de la population 2012. Donc, ce taux donc, dit que la capacité de l'État à donner de l'emploi à ses citoyens est grande parce que sur 100 personnes, à peu près 4 n'ont pas d'emploi. Donc la tendance est bonne La tendance est bonne. Il y a des raisons d'espérer. Il, y, a, des raisons d'espérer. Maintenant, pour en venir par rapport à ce que le président a dit, donc euh, je me dis qu'aujourd'hui, pour investir vraiment dans la jeunesse, on doit s'atteler vers l'auto-emploi des jeunes. Parce que l'État ne peut pas tout, ne peut pas recruter tout le monde. Et dans cette perspective, je me dis qu'il y a déjà une initiative qui est là, une volonté politique, celui-là qui a créé le ministère de l'entrepreneuriat des jeunes. Dans cette euh, dernière partie de ce forum, euh, nous tenterons d'énumérer quelques propositions comme pistes euh, à explorer afin d'occuper les jeunes diplômés et réduire considérablement le chômage au Niger dans un contexte où tout est prioritaire dans le segment, dans le segment de la vie et des populations nigériennes. Aliou Oumarou, vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse. Votre structure, le Conseil national de la jeunesse, a organisé plusieurs rencontres au Niger sur la radicalisation euh, des jeunes et l'extrémisme violent. Euh, est-ce que toutes euh, ces rencontres ont apporté leurs fruits, notamment pour mieux occuper les jeunes En tout cas, aujourd'hui, nous, nous avons choisi de venir sensibiliser que de prendre des armes. Et nous continuons et nous pensons que eh, beaucoup de pays s'inspirent du modèle nigérien. C'est encouragé nous allons continuer. C'est-à-dire que même si c'est chaque jour, nous arrivons à changer la mentalité d'un seul jeune, c'est un plus. Et nous allons le poursuivre avec de telles rencontres, avec de tels forums. Nous pensons atteindre le maximum de jeunes, de, jeunes gérés. Peut-être que si ce n'est les actions conjuguées avec euh, toutes ces organisations de jeunesse, au-delà de Difa, Tilaberi, peut-être c'est toutes les autres régions qui allaient être embrasées. Rien, rien qu'hier, vous avez vu les manifestations violentes des scolaires, mais dans certaines régions, ça n'a pas eu lieu. Parce que nos, représentations ont joué un rôle très important pour amener notre jeunesse à, à occuper les rues ou à manifester ou à revendiquer, mais d'une autre manière. Ceux qui ont été tabassés, violentés, c'est des jeunes. Ceux qui les ont violentés, c'est encore des jeunes. Donc, dans les deux cas, nous sommes perdants. Nous avons donc cette obligation de continuer à sensibiliser. Et à partir du moment où quand on va aux rencontres internationales, beaucoup d'autres pays pensent que le Niger est un modèle. Je pense que nous sommes en train de, de, de réussir notre pari. Issoufou Boubacar de l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi au Niger, comment votre agence compte aider l'État à réduire le taux de chômage de façon sensible donc, euh, comme je le disais, toujours la NPE, c'est une agence de mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi qui est actuellement, en tout cas, en train d'être revue parce que ça arrivé à expiration en 2009. Donc, je pense que le comité est à pied d'œuvre pour, euh, en tout cas, doter le Niger d'un nouveau outil de politique nationale de l'emploi. Donc, en ce sens, euh, j'ai parlé tout à l'heure euh, de, de revoir nos manières de faire. Il avait parlé, le président du PIJD avait avant cinq programmes que l'ANPE met en œuvre. Donc, cette année, donc, euh, on est dans la phase de réforme qui est celui-là qui a créé un nouveau programme d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes. Cet outil permet d'accompagner chaque jeune en fonction de sa demande adressée à la e. Si c'est un jeune qui veut avoir un emploi salarié, qui n'a aucune expérience, il peut aller vers le programme d'appui qui permet aux jeunes d'avoir un stage au Vous avez déjà expliqué ça. Euh, pour, ce euh, Donc, c'est euh, cet Le, président du Conseil national de la jeunesse avait dit que l'État ne peut pas, la fonction publique ne peut pas tout observer. Quel, est le, rôle du secteur privé le rôle du secteur privé est très très important parce que l'ANPE est avant tout tripartite. Dans notre conseil d'administration, il y a des employeurs, il y a des représentants de l'État et il y a aussi les travailleurs. Et je pense que le 13 prochain même, on aura le conseil d'administration et actuellement, je me dis que la réforme qui est en cours au niveau de l'ANPE, c'est vraiment de continuer à appuyer les jeunes diplômés. C'est pour ça même on a un nouveau dispositif qui est le système d'information de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, qui est accessible en ligne. Donc un jeune maintenant ne peut pas passer des heures et des heures avant de s'inscrire à l'ANPE. À partir de son smartphone, le jeune peut se connecter à l'Internet pour s'inscrire et bénéficier des avantages que l'ANPE offre à travers les offres d'emploi. Maman Kakatouda, selon vous, que faire pour euh, promouvoir l'emploi des jeunes diplômés et réduire euh, le chômage des jeunes selon vous Mais je pense que nous avons des autorités dans ces pays-là. <clears throat> Je pense que les gens ont pris des engagements. Euh, pendant les campagnes électorales, toutes les autorités, ceux qui ont échoué, tous ceux qui sont aujourd'hui au Faites allusion aux 50 000 emplois. même pas ça. Avant même de venir aux 50 000 emplois, c'est quand même les autorités politiques ont pris des engagements. Et euh, quand vous prenez tous nos textes, reconnaissent quand même, que c'est un droit humain fondamental pour les citoyens nigériens d'accéder à un emploi décent, pour les citoyens nigériens de ne pas rester dans le chômage. Et à cela, ce que je peux faire, c'est d'interpeller ceux qui ont la responsabilité politique d'abord de créer les conditions pour que les jeunes puissent accéder à l'emploi. Première chose. Deuxième chose, quand même, on a des... Deuxième chose, c'est par rapport à la question des 50 000 emplois. Aujourd'hui, eh, quand vous prenez le programme, c'est quand même aussi courageux d'avoir un tel programme, mais le fait d'avoir le programme est une chose et la mise en œuvre concrète des engagements pris année une autre. Je pense que c'est en cela qu'il faut euh, revoir les choses. Voilà, nous, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Aliou Oumarou, président du Conseil national de la jeunesse. Issoufou Boubacar, euh, représentant de l'agence nigérienne pour la promotion de l'emploi ANPE, et M. Mamman Kakatouda, responsable des questions de jeunesse à Alternative Espace Citoyen. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, mercredi 12 avril, même heure, même fréquence. Vous seriez en compagnie euh, de Maria Makenda pour parler de la délinquance et de la criminalité à Niamey. Merci. Au revoir.